Thank you. le Président du Conseil départemental des régions de Dakar, de Kafrim, de Matam, de Saint-Louis, de Ziguinchor, Mesdames, Messieurs les maires des régions de Dakar, Kafrim, Matam, Saint-Louis, Ziguinchor, Monsieur le maire de Nord qui nous a accueillis aujourd'hui chez lui, Madame le secrétaire générale, Monsieur le directeur de cabinet, mesdames et messieurs conseillers techniques. Mesdames et messieurs les directeurs généraux, directeurs, chefs de service, monsieur le représentant du ministère des Finances et du Budget, monsieur le représentant du ministère de l'Intérieur, mesdames, messieurs, distingués invités. Je voudrais vous remercier, mesdames et messieurs, d'avoir bien voulu répondre à notre invitation pour prendre part à cette rencontre de dialogue territorial de gestion. La tenue de cette activité résulte de ma foi et de ma conviction inébranlable en la vertu du dialogue et de la concertation. Oui, je demeure convaincu que la concertation la plus large possible est la méthode de la plus efficace pour le traitement des grands dossiers intéressants dans notre pays. Au vu de l'importance stratégique que la décentralisation est partant la territorialisation des politiques, pour le développement global que nous espérons pour nos collectivités territoriales, des espaces d'échange, de partage d'expérience dans une dynamique de coproduction synchrose. C'est là pour le sens qu'il faudra. À l'instauration par son Excellence le Président de la République de la Journée nationale de la décentralisation qu'il préside chaque année. Ces rencontres institutionnelles a permis au gouvernement, durant les deux précédentes éditions, de mettre en œuvre avec diligence des directives qui contribue significativement à la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation. La rencontre d'aujourd'hui constitue un prolongement de ces réflexions. Elle est surtout une modalité d'exécution technique des recommandations phares du chef de l'État qui avait demandé, je le cite, d'être à l'écoute et au plus près des élus et des populations à la base, qui sont en définitive les destinataires des politiques sectorielles pilotées par le gouvernement. C'est ainsi qu'avec l'installation de cette première édition du dialogue territorial de gestion, le ministère des collectivités, de l'aménagement et développement des territoires compte mettre en place un cadre d'échange d'informations entre les différents responsables des services de du ministère et les collectivités territoriales, structures opérationnelles concernées par la programmation et la mise en œuvre des actions de terrain. Ce dispositif de dialogue devra permettre à l'ensemble des acteurs de mieux cerner les différentes orientations de la politique de décentralisation. Ses atouts et ses contraintes et de fiabiliser la planification des activités dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques. Dans cette première édition, les politiques territoriales des régions de Dakar, Kafrine, Matam, Saint-Louis, avec à leur tête les maires et les présidents du conseil départemental, sont les précurseurs. Par la suite, nous irons par passer concentré sur le terrain à la rencontre des autres et des Mesdames et messieurs les maires et présidents du conseil départemental, vous conviendrez avec moi que les enjeux de développement socio-économique des collectivités territoriales peuvent être de nature très diverse. Et si l'on veut les traiter, notamment par le dialogue, sous le prisme de la territorialisation des politiques publiques, il convient d'opérer quelques précisions. En effet, on peut être confronté à la prise en compte d'enjeux nationaux et internationaux qui devraient se traduire en documents de planification et de procédure locales. Cependant, il peut arriver que la plupart des acteurs des collectivités territoriales ne soient pas sensibles à ces enjeux. Souvent, du fait d'une méconnaissance de leur apport certain dans le développement socio-économique de leur territoire. C'est ainsi qu'avec l'installation du dialogue territoire de gestion, cette perception pourrait changer. En effet, le premier défi que je voudrais imprimer à cette démarche de dialogue consiste à informer sensibiliser et partant impliquer les effectifs locaux dans une dynamique inclusive et partenariat de coproduction. Mesdames et Messieurs les maires, le président du conseil départemental, cette première rencontre constitue un prélude au cycle de dialogue avec les acteurs territoriaux que notre département compte organiser dans les prochains mois. À travers ces rencontres, notre département s'engage résolument à matérialiser la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'imprimer une dynamique de concertation dans toutes nos actions. Au cours de cette première édition de dialogue, nous aurons l'occasion d'échanger sur la mise en œuvre du processus de la décentralisation de manière générale avec la qui a consacré la culturalisation comme levier de pilotage des politiques publiques, en les inscrivant de manière coordonnée et complémentaire au sein des territoires pour leur appropriation par les acteurs concernés. Nous présenterons également l'offre de service du ministère, c'est-à-dire la décentralisation, à l'endroit des collectivités, en tenant compte notamment des compétences avec aussi la modernisation de la gouvernance territoriale avec également une fonction publique locale dédiée à la création du Centre national de la fonction publique locale et de la formation pour assurer le suivi de la gestion des effectifs du personnel des collectivités territoriales. Bien entendu, nous ne manquerons pas d'échanger sur la problématique du financement des collectivités territoriales question centrale pour les collectivités émergentes, est capable d'engager des actions de développement au bénéfice de la population. Ce point constitue à mon sens une problématique cruciale qui est une préoccupation autant du gouvernement que des collectivités territoriales. Malgré l'augmentation considérable des moyens mis à la disposition des collectivités ces dix dernières années, les élus régulièrement des préoccupations pour prendre en charge correctement les compétences qui leur sont transférées. J'ai toujours le plaisir de rappeler pour s'en féliciter que de 2013 à 2023, les fonds de dotation et les fonds d'équipement cumulés sont passés de 30 milliards à 70 milliards La contribution économique locale, valeur ajoutée, qui était de 17 milliards en 2019, est passée à 23,93 milliards en 2023. En plus de la ristourne, qui est aujourd'hui évaluée à 5,5 milliards. Vous aurez l'occasion demain, au cours d'une des présentations, d'avoir plus de détails Globalement, la rencontre abordera ces sujets et encore d'autres points Selon notre préparation pour rechercher une convergence de vision des différents acteurs sur les chantiers de réforme et des politiques publiques en cours. Ce sera l'occasion d'initier ou de régionaliser au niveau local, comme vous l'avez si bien dit, Président, des concertations au niveau local et d'harmonisation entre collectivités pour exécuter et assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques conformément à vos réalités et à vos potentialités. Les modalités de coopération des collectivités territoriales, qu'on appelle communément intercom, définies par le décret numéro 23 2023 1040 du 16 mai 2023, qui fera l'objet d'une thématique propose un cadre juridique qui pourrait permettre de systématiser cette collaboration entre collectivités territoriales. Madame, Monsieur les maires, en vos qualités d'interlocuteur privilégié de notre département, j'ai souhaité tenir avec vous cette première rencontre de dialogue, de gestion, envie de vous manifester encore une fois l'importance que j'accorde à la promotion d'une démarche partenariale avec les autorités territoriales sur les politiques, stratégies et actions du gouvernement dans le domaine de la gouvernance. On doit dialoguer, les la a waxtaan waxtaan surtout sur loo xam commencer à ministère pour que nous comme chaque vendredi les leen di gis les état des lieux

ñu ne ko nangu ci sama dossier si parc céréal parce que CMO numéro 7 CMO numéro 8 CMO donc fu ñu waxtaan suñu naree installé également parc rural bi boo xam ne président équité territoriale la wax mooy que collectivité ñoo yem dëkk ñoo yem dignité loolu il faut que am nañu projet bu mel ni mooy parc rural ñu koy installé mais ñu am temps ñu waxtaan ak yéen a seet quelles sont les modalités est ce que dafa war a souple dafa war a gën a gaaw un même objectif que partout ces Sénégal avant faire une journée, que déjà améliorer l'accès à l'eau à l'électricité Vous voyez, on peut au choix de vous que les DG qui sont là ils sont venus. Les avoir discours ils sont là ils vont parler et vous ils vont vous dire comment faire pour vous aider dans vos projets ici. Et il y a une question sur le mieux, on le discours on a dit le dialogue dialogue interactif vraiment entre nous de gestion comment gérer nos collectivités pour qu'elles deviennent viables l'émergence du Sénégal passe par l'émergence au niveau de nos collectivités L'autre, c'est vous qui les acteurs Vraiment, cet objet-là, nous continuons à tenir après une petite pause. Di ngeen xool